de votre fidélité au programme du studio Kalangou, chers auditeurs auditrices. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Ali Moukela Housseni alias Seno et avec moi Rakia Arimi. Bonjour Rakia. Bonjour Seno, en forme ce matin Ça va bien. L'édition est assurée par Adam Adawaki et Rahila Toussoumana à la technique. Nous avons Kader Tchombiano. Nous sommes mercredi et les mercredis, nous parlons environnement, mais avant, nous ouvrons notre émission avec le flash d'information suivi de l'entretien du jour. Comme invité, nous recevons un jeune entrepreneur du nom de Yahye Garba, président directeur général de Maison d'Afrique. Avec lui, nous parlerons de l'entrepreneuriat des jeunes. Ensuite, pour l'écho des régions, nous restons à Agname pour parler de l'interdiction des téléphones portables en classe. Nous terminerons avec la chronique Lotti, la page sport et la culture linguistique en germain. Ce n'est pas fini, il y a la partie essentielle de notre émission, la musique 100% nigérienne. On est paré pour une heure d'émission, c'est parti. C'est nos sans trop Voici les flashs présentés par Rafika Touataher. Bonjour Rafika. Bonjour Rekia. Quelles sont les nouvelles ce matin Alors pour ce matin, après dix ans d'absence, l'armée malienne a repris ce mardi le contrôle de la ville de Kidal. L'information a été annoncée dans un communiqué signé par le président de la transition, lu à la télévision nationale et partagé sur les plateformes sociales des FAMA, les forces de défense et de sécurité maliennes. Elle appelle la population au calme et à la sérénité tout en assurant que les opérations de sécurisation vont se poursuivre. Ensuite, le ministre d'État nigérien de la Défense nationale, le général du corps d'armée Salif Moudi, s'est entretenu hier à Niamey avec le directeur général de la stratégie et des opérations du ministère fédéral allemand de la Défense, le général du corps d'armée Gunther Schneider. Selon l'agence nigérienne de presse, le renforcement de la coopération militaire entre le Niger et la République fédérale d'Allemagne dans ce nouveau contexte était au centre de leur échange, a indiqué une source au sein du ministère de la Défense nationale. Le bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger a rendu une déclaration de presse sur la situation générale de la justice au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Dans leur déclaration, le Ben appelle les autorités de la transition à engager des réformes pour asseoir une justice véritablement indépendante qui jouera pleinement son rôle dans la construction de l'état de droit. Ainsi, entre autres demandes, le syndicat des magistrats sollicite le CNSP alerte et alerte le gouvernement de transition sur le vide institutionnel découlant du retard dans l'installation des hautes juridictions dissoutes depuis les événements du 26 juillet 2023. Le Saman prend acte de l'engagement maintes fois réitéré par le CNSP de ne pas s'immiscer dans l'exercice du pouvoir judiciaire. Voilà pour ce flash d'information. Merci Rafika, à bientôt. Merci Rafika. Nous sommes avec notre invité du jour, Monsieur Yaye Garba, qui, je le rappelle, est entrepreneur. Il est le PDG de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, autant pour moi, Maison d'Afrique, spécialisée dans la prestation de services informatiques. Bonjour, monsieur Yaye. Bonjour. monsieur Yaye. Alors, euh, merci euh, de nous accorder un peu de votre temps dans l'émission Le Niger sur Kalangou. Nos échanges s'articuleront sur, autour de la question de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Mais en attendant, découvrons ensemble notre première note musicale intitulée "Deli". Et "Deli", autant pour moi, de l'artiste Diasibo Chambiano, que beaucoup d'entre vous connaissent sous le nom de Jazz Chris. la sangbanlo poni sangban makiri ya bi el na la pori sang ban lo ya bi yir kan na o pon sang ban lo ya bi yir kan na ma jiri ban yo ha mo wa yir ma jiri ya mo na mo wa yir ma jiri ti la mo wa yir le yo ma jiri dal na mo wa yir upon sangbalo yabi kanda upon sangbalo yabi kanda magiri yakubu mwajele magiri yamwala mwajele magiri batu mwajele Et eh oui, artiste, euh, dessinateur, peintre, designer, Diasibo Chambiano est l'une des figures emblématiques du reggae. Euh, dans ses œuvres musicales, il s'est rapproché de ses racines culturelles, la tradition gourmandier bien sûr. Au Niger, il est considéré comme l'un des chanteurs le plus engagés. Avec neuf albums à son actif, l'artiste mène de front une carrière âgée d'environ 30 ans. Eh bien, grâce à sa galerie euh, d'art plastique dénommée Tawaido, il vit pleinement sa vie euh, d'artiste peintre. Au-delà de son statut de musicien, Diaz s'est aussi lancé dans la production à travers un label dénommé Liptako Productions. muliania ububasanga wajal tanjamaye Mbakeli Yamalan Wayel Leo Mbakeli Yamalan Wayel Leo Yeda Anan Wayel Leo Nigeria bin nan wayel leo Senegal ya bin nan wayel leo Faso ya bin Voilà, chers auditeurs, en euh, l'instant, c'était bien l'artiste Diasibo Chambiano qui nous a chanté ici Jelly. Retour au studio et nous sommes avec euh, notre invité Yaye hein, Garba. Alors, euh, Yaye, bonjour. Bonjour, monsieur Senou. <laughs> bonjour, Yaye. Bonjour, madame Rakia. <laughs> Alors, comment avez-vous apprécié cette chanson que vous venez d'écouter Ça m'a vraiment émerveillé. Ok. D'ailleurs, c'est l'un de mes des chanteurs que j'aime beaucoup écouter. Ah. Oui, oui, je l'ai <laughs> connu il y a longtemps à travers son, la chanson Santiro. Santiro. Ah. Je crois c'est vraiment, oui, oui. vraiment okay. c'est merveilleux. J'espère que Tiambiano aussi a bien kiffé la chanson. Vraiment, aimé. Mm. On a aussi un Tiambiano de l'autre côté à la technique. Hein. Salut hein. aussi, <laughs> vraiment. Alors, voilà, euh, comment appréciez-vous euh, cette fois-ci l'entrepreneuriat de jeunes au Niger Merci, okay, Merci L'entrepreneuriat des jeunes au Niger, c'est vraiment euh, l'une des meilleures choses qui nous est offerte aujourd'hui en mhm. tant que jeunes. Et c'est vraiment un domaine que j'ai commencé moi personnellement, il y a, euh, il y a une décennie de cela. Et ce qui m'a un peu poussé à embrasser mhm. ce domaine, domaine mhm. Mhm. c'est comme tout jeune et étudiant, notre désir d'aller à la fac, c'est vraiment le désir d'étudier et finir les études rapidement et faire autre chose. Mhm. Mais compte tenu des réalités de, du milieu, mhm. de l'université, avec souvent les perturbations académiques, cela nous a poussé à embrasser ces domaines-là. Mhm. De l'entrepreneuriat. Alors dites-nous, quelles compétences et qualités pensez-vous être essentielles pour réussir en tant que jeune entrepreneur au Niger En tant que jeune entrepreneur, les qualités et les compétences, je crois que premièrement, c'est La foi. La foi. La foi. D'accord. J'espère que euh, nos amis <laughs> jeunes qui sont à l'écoute sont en train de prendre note. Vraiment, la foi et la conviction de vouloir aller de l'avant mm. et de croire en lui-même, mm. en ses potentialités. Comme chacun de nous est grand, et grand intérieurement, il suffit de, de trouver vraiment le bon moment, le déclic, le déclic pour éveiller mm. Mm. ces, ces, génies-là qui dorment en nous. Mm. Mm-hmm. Alors, dites-nous, euh, monsieur Yaye, selon vous, quels sont les défis spécifiques auxquels les jeunes entrepreneurs font face dans le contexte économique actuel au Niger, le contexte actuel Les défis actuels sont euh, multiforme et multidimensionnel. Mhm. Ok. En ce qui nous concerne mhm. aujourd'hui, nous avons des défis récents et des défis, disons, qui ont des raisons lointaines. Mhm. Moi, j'évolue par exemple dans l'imprimerie, dans l'imprimerie et les services copies. Et le défi que nous rencontrons est à deux niveaux. Premièrement, c'est par rapport à nos clients. Mm-hmm. Deuxièmement, c'est par rapport aussi les, matériels que nous utilisons. Mm. Par rapport aux clients, mm. avec euh, les sanctions par-ci, par-là, mm-hmm. souvent les, nos clients de taille sont des, des entrepreneurs aussi. Mm-hmm. Et quand on parle, c'est les grandes entreprises qui évolue dans les domaines euh, de, euh, disons, les domaines de la construction, l'automobile, mhm, mhm. et voilà, et surtout aussi les BTP, les, BTP oh. évidemment. Mhm. Donc, euh, eux, avec les sanctions, donc il n'y a pas de financement, ils sont bloqués. Du coup, s'ils sont bloqués, ça a des répercussions sur nous, qui sont aussi leurs partenaires dans l'élaboration de leurs documents. Exact. Et par rapport aux les matériels que nous utilisons, euh, là, à ce niveau aussi, il y a vraiment un petit souci qui consiste, beaucoup sont bloqués avec la fermeture des, frontières. Mhm. Oui, ils sont bloqués et du coup, les prix, non seulement les prix des dédouanements. qui sont là mhm. et encore la rareté de certains produits, mhm. ce qui nous handicape euh, euh, un peu. oui. D'accord. Alors, euh, avant de, poursuivre, nous allons faire une petite pause pour écouter la deuxième chanson de notre playlist musicale d'aujourd'hui. Il s'agit du morceau Marietou, des oui. de Waizé est la principale figure du Zarmaganda dans le domaine de la culture. La célèbre cantatrice de Walam a tiré sa révérence en 2011, laissant derrière elle une production culturelle de grande facture. Grâce à sa voix extraordinaire, les prestations de Delweze sont encore vivaces dans la mémoire collective des Nigériens qui l'ont connue. En effet, la dimension culturelle de la cantatrice Delwaizé se mesure à la qualité sa production d'une part et d'autre part à, l'originalité euh, dans la création. Aucune dimension qui fonde la valeur d'un artiste culturel n'a échappé à Aishatu Tahiru. Toutes les chansons qu'elle réalise lui revenaient à l'esprit pendant les heures indues euh, de la nuit. au studio avec notre invité Yahye. Alors Yahye, comment percevez-vous le rôle du gouvernement et des institutions publiques dans le soutien aux jeunes entrepreneurs au Niger euh, Le rôle des institutions euh, est important dans le soutien des jeunes entrepreneurs mhm. et, et, ça doit être vraiment euh, comme ils le font d'ailleurs toujours de taille, ils doivent continuer à le faire parce que moi-même, je suis un des produits vraiment <laughs> du, centre que le gouvernement avait créé à l'université, notamment le centre incubateur mm-hmm. à l'université Abdoumoumouni Diofo. Mm-hmm. Donc, euh, vraiment, ils font un travail, et, un travail important qui vraiment euh, permet aux jeunes de, de vouloir concrétiser mhm. leurs rêves, de vouloir euh, aller de l'avant et vraiment avoir beaucoup plus de, de, euh, je dirais, de, de, connaissances mhm. sur leurs projets mhm. qu'ils veulent réaliser. Ok, Yaye. Alors, euh, vous-même, vous êtes entrepreneur, mais vous venez de le dire, vous avez euh, bénéficié, n'est-ce pas, euh, d'une formation ou bien d'un accompagnement du centre incubateur. Alors, dites-nous, vous avez également dit que vous œuvrez ou bien vous, vous êtes en train de faire vos prestations de services dans le domaine de l'imprimerie. Alors pourquoi spécialement ce domaine Vous avez euh, remarqué que le besoin s'est fait sentir euh, Oui, évidemment. Ça, c'est par rapport à mon milieu. Ok. Mon milieu universitaire a fait que dès mes premiers pas à l'université, mon milieu m'a enseigné vraiment le, cette... Euh, le besoin là mhm. Mhm. d'aller dans ce domaine là parce que eh, je dois pour moi je dois faire quelque chose qui a un lien avec aussi mon académie mhm. ce qui m'a eh, poussé à marier quelque chose qui évolue, qui a un lien toujours avec ce que je fais à la fac. Ok. Et, Donc, vous, et surtout vous étiez inscrit euh, dans quelle faculté Je m'étais inscrit à la fac des sciences faculté des sciences. Et techniques, Et techniques évidemment. Oui. Super. Alors, euh, comment Maison d'Afrique contribue-t-elle au développement économique local et à la création d'emplois pour les jeunes Nous contribuons dans plusieurs sens. D'accord. Premièrement, en ce qui concerne notre milieu toujours, qui est les étudiants, mhm. il y a pas mal d'étudiants qui bénéficient des formations Ok. Euh, à notre, au sein de notre entreprise et nous arriverons à influencer une dizaine ou des milliers même de jeunes comme nous, mhm. parce que ce que nous faisons, certains ils viennent à notre niveau, ils voient ce que nous faisons, mhm. ils se disent ah ça ça vraiment c'est bien. Il arrive des moments où on rencontre même des enseignants qui mm. nous disent c'est que et ils n'ont pas fait, voilà que c'est ça que nous on a fait. Mhm. C'est vraiment salutaire. Mhm. C'est vraiment salutaire d'évoluer dedans. Et je crois bien que et, je me suis toujours dit que et je dois sortir à l'université avec un projet. Mhm. Je ne dois pas quitter l'université et aller chercher, non. Mhm. Je dois sortir avec quelque chose mhm. à l'université. Ah, oui, mhm. d'être vraiment déjà sur le terrain à l'université. C'est ce qui m'a beaucoup motivé vraiment à aller. Au début, beaucoup de mes collègues ne, m'ont pas cru. <laughs> Certains riaient même de moi parce que euh, il y a quelque chose qui s'impose aux jeunes, qui est, euh, financer son projet. Et pour ça, j'ai osé aller faire même le gardiennage, le travail de nuit. pendant la journée, je faisais la fac, je mm. partais à la fac et la nuit, je partais pour faire le gardiennage pour pouvoir financer mon projet. J'étais déterminé. J'ai la conviction que si on est sur cette terre-là, c'est vraiment pour, pour réaliser quelque chose. C'est vraiment. On ne doit pas être des gens qui vont. On, on, on le dit traverser l'histoire. Non, <laughs> nous devrons être dans l'histoire des acteurs. Merci. Merci Et quel conseil donnez-vous aux jeunes qui aspirent suivre votre trace et à se lancer dans l'entrepreneuriat Je dirais à ces jeunes, jeunes de, de, oser. De oser. Mhm. Et dans la vie, qui ne risque rien n'aura rien. Hmm. Tout est risque. Même la vie personne certain que d'ici peu, il va vivre ou bien va. Donc, on décide des risques. On doit vraiment oser. <laughs> Oui, oui. <laughs> vraiment ça. Osons, osons, chers amis, chers auditeurs, vous qui êtes à l'écoute de cette émission, nous disons merci, infiniment à, M. Monsieur Yaye Garba d'avoir répondu présent à notre invitation et nous vous souhaitons bien évidemment excellente excellente journée. On fait une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h, passé de 27 minutes. C'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo et nous sommes mercredi. Nous allons parler environnement, n'est-ce pas, Exactement, Rakia. Au Niger, les effets du changement climatique ont beaucoup impacté nos écosystèmes à cause des phénomènes d'inondation, d'achèchement, des cours d'eau dégradation des terres, pluviométrie anormalement répartie dans le temps et l'espace. Et cela n'est pas sans conséquence sur notre manière de vivre en milieu rural, par exemple sur l'élevage Boubacar El Haji Omar, président de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, Arengaya, nous fait une, une comparaison et au micro de Fadel Alou. zawato to matano arancin ga kuratin da daron ko matano bata mai to wato wallahi non guno gono teren yon no gono kan go ira nisto faredo so mo farei non goy zebu aberi nongoy zebu nongoy kamme go irse ir commune ra manti nongu bambaten nongoy kanga beri dimo harisi son actuellement wati dimbinne nongo kango irse agawo irse nirgo alezara so ba burtale isi san sandawato wato wato son zangamat kam wato subai igba somo son subai ba sa jora wato ya dinu a ah, wato din non kulgun da subu ile subu bande de bore sintinga beri hinne kwaro bumbo gawo sabore se son wadin kulu a di su bu no sino su subobu mbono i ga igabai wato ko ne mo nongu sino teren jangai bumbono nan subai su sigidu ga fatta zanga wato son haro mo sino haro no moru bore se son non kul kai te bain de te irwo ne bore iswani de haraka wato ya hare wo kan igunda de yo ne bo kusino kando na ima de cendi ka alman woi waran kan hangandi isina zama isi wana irma na garbun bono wati ni hankan borfo ga teku ni ko isa ga hangandi ni ma mayaka gora fato son kan arne sa jora hare haro asiba zanga wato porai yitina zumbu ga ka isa mai ga ga hari teji zumbu yo modin ga koyi isa do hare a kina kan ni masala ran da kurkoi gama inga dai ti matsala bambata matsala bambata irna isaifa ir do ir du ir goce ci so ir du forage kan ganan haro bumbo mo sai sai dai hari gono matsala bobo sino zam debora debora hangandi ninga bainan gin almane gai ima kur to hari no sino da haro mana wasa mo haikul si wasa matsala bero dai hari wato almane flon zamai do ndamo son almane flon zamai do barmayan fono gono barmayan kan gono dai non go asere wati din fulan zamai do iga fulan zambu mo hal fare ga a ste problem zama da alman alman go du ko asko asko ngwari wanira nwaro bumbo no sino subo bumbo siga zai mutkan wato bare gabai irwo din hala igma igma igane hauna na hasarauta asfala rar man no iga duwa lokaci ka lokaci waidin kulu an dunya bar mai an dunya bar mai on paske an dunya hausance no gane yini no bar mai tangai no bar mai manti zanga wato no wato tango da son tango manti afu almane sidu subu subono sifatta bumbo zanga wato wato ko ini mo farai bumbo iga wasa fari ko ise nungu cinde iti far bumbo to so no non kuli ga farno wati di nungu yongo no kam ba ine mo ko ka farni ko ka far me so sajo kulu te kwara farai ifuro nongo kulu C'était là la rubrique hebdo. Je vous propose à présent ce titre que j'ai dédié spécialement au desk full, full day du studio Kalangu. Et oui, cette chanson se joue aux cérémonies de réjouissance. Il s'agit du groupe Al-Kassal. Euh, nom du chef du groupe, euh, c'est le nom bien évidemment du chef du groupe. C'est un grand joueur de flûte, accompagné de Boubacar Amel à la C'est lui également le chanteur. Et enfin, Hamidou Ballo qui joue le molo, la guitare traditionnelle bien évidemment. J'espère que les Soumana et Omar ont kiffé cette chanson. C'est nos places à l'écho des régions. Oui, Rekia, restons euh, dans la région de Niamey pour parler de l'interdiction du téléphone portable à l'école. Au Niger, certains responsables d'établissements interdisent l'utilisation du téléphone portable en classe, notamment pour les élèves. Hormis cela, une circulaire interdisant les portables en classe existe. Pourtant, cette décision pourrait améliorer l'environnement d'apprentissage et à favoriser la concentration des élèves, selon Ibrahim Seydou, proviseur d'un établissement privé d'Eniamé. Il exhorte les parents à plus de vigilance. Les parents doivent comprendre que nous avons la responsabilité totale des enfants c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose d'urgent, c'est normalement à l'administration de gérer ce problème. Si les enfants doivent faire des recherches, c'est normalement des choses qui se font en dehors des heures de cours et une fois à la maison. Et dans des cas de force majeure, l'enseignant ou l'administration peut permettre l'usage du portable en classe à, usage bien sûr euh, instructif, ce qui n'est pas le cas. Les enfants, dès qu'ils ont le moyen, c'est-à-dire le temps de prendre le portable, c'est juste pour discuter avec leurs camarades sur WhatsApp, sur utiliser les YouTube, juste pour s'amuser, ce qui n'est pas ludique pour les enfants. Les parents, qu'ils nous aident dans ce processus, parce qu'en réalité, ce que nous cherchons à atteindre comme but, c'est d'amener ces enfants à rester concentrés sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est ce qui est enseigné en classe. Le danger est très réel quand il s'agit de laisser les enfants utiliser les portables à l'école. Parce qu'ils peuvent l'utiliser à notre insu. Bien sûr, on n'aura aucune maîtrise sur ça et ça pourrait causer des torts non seulement à l'élève, mais également aux autres parce qu'ils verront que leur camarade est en train de l'utiliser et ils feront pareil. Et il n'y aura pas de concentration en classe. Et donc, je prie les parents de faire en sorte de garder les portables à la maison et de nous faciliter le travail ici à l'école. Quant aux élèves, leurs avis sont partagés s'agissant de l'interdiction de ces appareils à l'école. Certes, utiliser des téléphones à l'école n'est pas quelque chose de bon pour un élève, mais ça a aussi des avantages. Faire des recherches, faire des découvertes. Quand un élève utilise un téléphone, ça lui empêche vraiment de se concentrer sur ses études. C'est interdit d'amener le téléphone à l'école. Mais malgré ça, il y a des élèves qui amènent leur téléphone pour l'utiliser, des fois pour des urgences, et d'autres, c'est juste inutilement c'est pas important quoi de l'interdire parce que ça peut nous aider à faire des recherches, à connaître des choses inconnues quoi. Seulement de ne pas l'utiliser aux heures des cours quoi. Sinon c'est important. C'est très bien d'interdire le port du téléphone à l'école parce que on ne peut pas se concentrer en utilisant les téléphones à l'école. ça a des conséquences sur l'étude. Par exemple, quand le prof explique le cours et autres, on ne peut pas se concentrer. Vraiment, il faut éviter d'amener les téléphones à l'école. On peut utiliser les téléphones à la maison, mais à l'école, c'est pas possible. Le secrétaire général de l'association des parents d'élèves du Niger, Mamadou Touré, ignore la raison de la non-application de cette mesure. Nous avons connaissance euh, d'un arrêté, ça fait maintenant, je sais pas, deux ou trois ans, qui interdit le port des portables au niveau des classes, au niveau des écoles. Donc, euh, normalement, les responsables des établissements doivent faire respecter cet arrêté. Donc nous ne savons pas ce qui bloque euh, cette application. Donc peut-être un laisser aller des responsables et des enseignants au niveau des classes. Certes, euh, on ne peut pas euh, empêcher un enfant d'amener un portable au niveau de l'école si c'est un portable qui permet à faire des appels seulement pour en cas d'urgence ou à la sortie, à la descente, pour un enfant qui peut appeler ses parents pour venir les chercher. Là, vraiment, nous pensons que ce sont les petits portables, là, les portables à touche. Ça peut aider les enfants à être en contact avec euh, leurs parents. Mais utiliser les portables, les Android et autres au niveau des classes, c'est formellement interdit et nous demandons aux différents responsables d'appliquer l'arrêté. Nous faisons appel aux parents de faire le suivi eux aussi des ports des portables de leurs enfants au niveau des écoles. L'application du texte interdisant l'utilisation des téléphones portables à l'école en classe n'est pas effective. Une décision controversée qui vise à améliorer l'environnement d'apprentissage en réduisant les distractions et en favorisant la concentration des élèves. Les débats sur cette question se poursuivent. C'était le reportage de Al-Amin Washer sur le port du téléphone portable en classe. Oui. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à Adam Sariou pour euh, la chronique sportive. Bonjour Adam. Bonjour, Seno, bonjour Rekia. Bonjour Adam, direction la capitale économique du Niger, Maradi, où les équipes se préparent pour la saison sportive 2023-2024. Eh bien oui, la Ligue régionale, comme toutes les autres, a procédé à un tournoi de mise en jambe pour les équipes engagées dans les compétitions nationales. Écoutons Mohamed Rabiou, président de l'association de la Ligue régionale de football de Maradi, au micro de notre envoyé spécial Salamatou Kadri. L'association régionale de football de Maradi compte un effectif de 16 clubs, dont un club en Super League, trois clubs en Ligue nationale et 12 clubs en Ligue régionale. Pour préparer la saison sportive 2023-2024, la Ligue a mis un tournoi de mise en jambe et pour le club de la ville de Maradi. Et voilà, aujourd'hui nous sommes à la dixième journée. Vraiment, les clubs ont répondu massivement donc à ce tournoi et voilà que ça va aider beaucoup le club, surtout le club Jean Gorzo qui est en pleine préparation, qui va même commencer ses compétitions ce 19 contre la Nigélec. Donc vraiment, nous comptons beaucoup sur euh, cette mise en jambe pour prendre le devant eh, de la compétition nationale Super League. Donc je pense que ça va aller. Ça va aller. Adam, parlons à présent de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Hier, nous, eu, nous avons eu l'occasion de faire le point de la première journée pour les équipes africaines. Qu'en est-il de la deuxième journée Eh bien, pour la deuxième journée, sachez que le Sénégal est le premier pays africain qualifié pour le huitième de finale. Le Mali a perdu sur le score de 1 but à 0 face à la Roja espagnole. Le Maroc, quant à lui, est tombé face à une très belle équipe de l'Équateur qui a fait un match nul face au pays organisateur l'Inde à la première journée. Le Burkina Faso, après une entrée en jeu ratée face à la France, tente actuellement de se repositionner dans son groupe face aux États-Unis. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour un autre numéro. Merci, Adam. Merci, Adam, pour euh, toutes ces informations sportives. Si nous passons à présent au portrait. Notre star du jour répond au nom de Adamou Idi. Il, est à la, il a la soixantaine, un revendeur de nattes tressées et d'autres accessoires à base de feuilles de palmier d'homme Il exerce ce métier de vente en gros depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Adamou nous parle de son travail qui, selon lui, est peu rentable. Notre reporter Omar Hamma est parti à sa rencontre. sana'a ta ta ɗaya muka saida wacce iri tabarma kuke nan gasa ta shaye gari muka saida da da ci kuma da dai gare gashi to shine sana'a mu kullum tun lokaci ne kuka fara wannan aiki ya kai shekara goma muna fatalla muna muna wucin gari da kuma abin da Allah ba mu rabo mun ka zo muku da kurin mai gida abin da mun samu kari ba mutum sai da muku me yasa ku cikin wannan sana sana'a ta da kaga kana yi inda zaka samu dala biyu da dala goma karenka sai ka doka kai tallabe da komai kaji abin da samu cikin ta in ta ɗara ƙasa mana barta amma mun samu ta ɗara kuma na samun masu gida suna ba mu sallan mutum ne ba abin da muka ci alhamdulillah to kuna iya gaya mana wace iri amfani kuka samu ga wannan sana'a a'a wanga bai da iyaka saboda bai da firi kayan in ka talla wani bi ka sai da hawa wani bi ka samu riba kaɗan dala hamsin arba'in kana samu amma wani bi kuma akwai da za ka taya ka ina ka yi yawo kwana na ba sai da ko guda ba kenan kenan bai rubutun gaba a ce ga abin da aka samu ina ne kuke nan ga dauko shi fasto balahu duk inda ka tabarma ta balahu ce nan ne ran fayi balahu sanan da yawa in mai gida ba mu muka talla abinda a samu dala ashirin akwai da ta zawa hamar ba mu samu akwai da mu hawa domin mu sai da ba dole sai an ci sai an samu kaza ba zan da bai firi wace iri matsaloli kuke nan ga samu ga wannan sana'a akwai matsaloli da yawa zan da yanzu babu kasuwa ya akwai kasuwa riba tun daga banahu to hannun ta kwata yan talako kina ka gani yalla dagura yan sai da mutanen da ne ga aikin da wanga tabarma na sanya gari amma yanzu mutane sun koma ga aikin shi ne ko da ba irin gani aka yi ba na kwanci na aka yi shi ko na kwanci nan da aka yi shi don masu kwanta ne yanzu da roba ta yi yawa an kamar sai ne muku man kamar sai mun ga irin ta yi dama dama dole kuma dan masu iya shi ba sai sai muku su irin shi mana dan sai Sinon, il est temps pour nous d'écouter la chronique Loti de ce jour. On parle de préjugés envers les personnes. Oui, euh, Rakia Arimi et Fanta Shamsou nous entretiennent sur le fait d'avoir des jugements hâtifs envers une personne. Ki hamsu, ki hamsu. To menene kuma? ba Kai ka mutum zai sa irin wa'yan ga kayan ta waje. Sai ka ce bata da mahaɗi kai. Biyar kenan. Ki hamsu wai lahiya ki. Tun ɗazu ina miki ɗumi kina ƙilgo. Me ma wai kike ƙilgawa haka? Ina ƙilgo ne. so nawa da in kika ga mutane da sai kin yi magana akan hanya daga kin gane su abin da kike yi kenan hotun da muka taso sai zato sai zato zato zato zato ya isa hakanan da Allah zato zaton mi kuma na kadi ni abin da na gani kawai nake haɗi hmm. da farko wata mace ce kika gani da za ta shiga bar kika ce wai karuwa ce to ke wai habsu in ba karuwa mi zai kai mace cikin bar sayan wani abu misali akwai barakin da suke sai da abubuwa da dama kamar su abinci da dai sauransu ke kadi duk macen kwarai ba ta sa ta guda cikin bar kuma haka nan ne haka hmm. nan ne zance na hmm. na biyu kika ga abokin aikina da ya bar gashin shi ya toho wai kika ce yana shan ganja. Ba haka nan ba na ce. To mi kika ce? Cewa na yi. Mm. Idan ba ganja shi ka sha ba, mm. to duk mahaukaci ne. Tun da in ba haukace ba mi zai sa shi bar gashin shi ya toho in barkatai haka. To wannan dai ake cewa zato kadi. Roje, bawan Allah, mutum ne mai kirki. So nawa ke ce miki idan kika ga mutum ba a ganin shi ba ne zaka haɗi abin da ba haka nan ba a jikin shi. Wani bi abin da kika gani da halin shi ya bambanta wallahi ka zato ba abin kwarai ba ne kinan ki daina wallahi kin sha mini kai da zato zato zato wai miye ma zaton kadi zato ya kamata ki sani da cewa abu ne ka ga mutum mhm. ba ka ma san ba da haka nan ne ka ɗora mishi abu wanda ba daidai ba ba tare da kin tsaya kin karanta mutunan nan ba ko kuma kin san mutunan nan ke dai abin da kike yi kenan tun ɗazu. Kadi ni babu abin da na yi cikin abin da kike faɗa. kawai haka nan ne nike. in na ga abu sai na zanta to kina iya magana yadda kika so amma matsalar shi ne zaton da kike yi ka yi wa mutum zato yana hana ganin kirkin mutune. ko kuma ganin kyan halayyar mutune. duba ki gani idan muka ɗauki zato muka sa a gaba wallahi abubuwa da yawa masu kyau za su wuce mu ba tare da mun ga kyansu ba ni ina dai daga cikin waɗanda idan suka ga abu tsammanin na farko kawai da shi suka fake tsammanin su na farko ko wanda wani bi ba haka nan ba ne kina tune da wata rana da muka je kasuwa tare da ke kika ga wata mace wai he kika ce wai ya ce yo kin ganda ta kura mini ido <laughs> wai kuma tana son ta cinye ki da kuma ta matso sai kika ga hano cewa ashe wata ƴar ki ce kin ma to na ji lalle kama wannan karan kai na dan na bace ke fakadi ke fakadi wannan kaɗai ne ki ji tsoron Allah kadi kusan kullum sai kin bace duba ki gani kaunan makwabciyar nan taku zara da kike cewa wai ba mutumniyar kirki ba ce wai dan kina ganin tana yawan yawo kin ce wai ba ta samu bakakinta ba ta samu ko ba ta samu ba ta kam samu eh, kiri <laughs> to kin gani ko ba wannan bane na farko ko abin ya zama to miki kawai sabo kadi kullum ne sai kin yi wannan abin ya kamata fa ki duba wannan zancen haka ne kuma yanzu da ke min zancen na fara ganewa lalle ina da zato to me zan yi don in kiyaye zaton ba abu ba ne mai wuya kadi ɗauki lokaci ki ɗora wa kanki tambayoyi ki ce yaya ziki yi ki bar wannan mugun halin ɗauki lokaci domin gane mutum ko kuma ki san da shi kamin ki shafa mai wani tabo idan kowanne cikinmu ya ɗauki lokaci ya dubi abu ya ɗauke shi da halin kirki to abubuwa da dama za su sake a cikin duniyan nan Kina da gaskiya kan Hamsu, yanzu zan hwarawa, kin san wani bi. Mm. Daɗin zance ga jawo haka nan. ne Allah, ana magani kai na ƙaba. Haka ne wani bi daɗin zance, kadi amma a yi ƙoƙari. Babu wanda ya ce, barin abin nan bai da wuya, ba sauƙi ba gare shi. amma dai ki yi ƙoƙari don ma saboda lafiyar kwakwalwarki. Haka ne wallahi Hamsu, na ko gode, Allah ya biya ki, zan yi ƙoƙari. Merci aux ex-femmes du studio Kalangu pour ces conseils. À présent, la rubrique euh, culture linguistique en français et en zarma, ça sera avec Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Etia, bonjour Seno. Bonjour. bonjour. Quel est le mot du jour Le mot du jour, aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la dénonciation, qui, selon le dictionnaire Larousse, est une action de dénoncer quelqu'un ou quelque chose à la justice à une autorité à travers un document ou une information qui dénonce. Mhm. C'est une démarche visant à informer l'autorité de l'existence d'une infraction à la loi. Par exemple, dans les zones d'insécurité, les forces de défense et de sécurité demandent à la population de dénoncer toute activité suspecte. Les individus suspects ou auteurs d'actions qui portent atteinte à la sécurité de la communauté. Mhm. Et lorsque cette dénonciation émane d'une personne qui est victime euh, de l'infraction, on parle maintenant de plainte. Ce n'est plus une dénonciation, c'est une plainte. plainte. La dénonciation annonce aussi la rupture d'un contrat ou d'un accord entre deux parties. C'est-à-dire, l'une des parties peut, en cas de faute de l'autre, procéder à la résiliation unilatérale sans aviser l'autre partie, euh, ni avoir le consentement de l'autre, ni respecter les délais résilier le contrat, donc arrêter le contrat. Dès qu'on parle de dénonciation, c'est mhm. pourquoi souvent au, niveau des partis étatiques, on dit un État dénonce les accords entre un État et un État. C'est comme ça. Donc, euh, en Zarma, et dénonciation, Sanda, donc il est quoi là où il n'est mhm. la hein. Comme vous autres, il faut uh-huh. qu'à. Il faut l'année dolé. Sarino kan borgete, wal kiti fonde do, ko ko kice bukan ni gini mu mate ga wal mutirte ka hantu kene wallahi di filana wala har filana go gute kana ci ta fonde hatta nangai kan lakal tunai gono kwai kwai ga hala bize ga wat kulki di misa tera wala hari dai kulkan gini kande lakal tunai al umma sai wal kan gini ga misa fo butugu imatonin di hinodo ba kwa ko doni kaga to nan go be fon kan ga gana ga wodin gayi mhm. amma da borfo bu mose no ina ngina ko ga ta ci wodi wo sina se kal tumaya mhm. tumaya o tumaya no manti dolle no wodi wo so afu dolle ra aje i ya mhm. igini gine dolle mu wat kan hayaka kure hin kan ganda alkawli ga gamara du kure fa na talifo te inga chalasi igini gine aninga wone alkawlo kan goge gamdin dolle sanda kure hin ka da afu dikan kan afana fonda hatta yadi nga nga bumbo bon sa gine to alkawol kan gori gamara ayu ay bon nga gati boranu me feji gine ay ni kholo din dolle zama ay tunabo alwata bande kan ay hang sino amana fonde gana mhm. zama wodi yan fondara sanken no gonki gorandi sharti yan no ki gida kan dinga bani mal alkawol din dumbu kadinu sande din gana amma din ne na hare borawo amollu ko gita mu mhm. ngani sin ni din gana mhm. ni gitu nimne ni tunana ka bon zare kan borowo a kan bo tedin ngo tuna bon yani ga aimu merci beaucoup Moussa Hassan merci infiniment Moussa cher auditeur euh, merci à vous encore euh, de l'intérêt que vous portez à cette émission vous êtes euh, nombreux à nous envoyer vos messages vocaux écoutons quelques-uns que nos reporters ont recueillis pour vous Awa sunana Mahmud anan nake tsakiyar birnin Maradi na nan kasar mata na jamhuriyar Nijar ra'ayina akan radio studio Kalangu eh, shine akan shirye-shiryen su kan shirin ra'ayin nan na tattauna na muhawarori da ake yi wannan yana nishadantar da ni kuma ana faɗin abin da ƙasa take buƙata da yawancin al'umma wanda suke buƙata na samun yanci da sauran kwanci hankali da nishaɗi ba tare da bata lokaci ba na gode allah ya tsari allah ya sa alkhairi allah to gaskiya yana gaida shugaban mu jagora wanda muke sa ran tsakani da allah yake yi a matsayin shi na mai kishin ƙasa president Chani. Sunan malamin Yahuza mai turare a garin Maradi. Gaskiya Studio Kalangu gaskiya yana birge mu. Kamar yanayin tambayoyin da ake ma jama'a kuma da sauran ƙarin ilimi ne a mutane kuma haka ci gaban ƙasa ne abu ne wanda ya riga zamana idan ya haɓaka kowa da kowa zai amfani shi shiri-shiri da suke muna jin daɗin su saboda kullum ana kawo wasu tarifi ma wannan abubuwa da wanda sun zuma da wasu rahin wanda aka gaya mai muna jin daɗin su alhamdulillah a to muna gani duka masu sauraron su dai kalangu eh haka ne sunana sabiu ibrahim garin maraɗin nake yani eh, sana'a ta kasuwar turare nake yi e gaskiya shirin su mu dai muna jin daɗin shi bakin walwalo gaskiya shirin su yana samu nishaɗi da jin daɗi da abubuwan da suke yi masu ƙayatarwa bakin walwalo gaskiya muna jin daɗi akwai ƙane na yahuza kuma akwai yana yahuza da malam isaka ina gaida malam hamus shi ma dai mai turaren wuta da kuma 'yan rediyo kalangu ga baki su ba sai da wani ba ina gaida su ga baki ɗaya sunana jamila sharkiya na kasance ma'abucin sauraron duk wasu abubuwan da studio kalangu suke zartaswa sosai muna jin daɗi akan irin gudunmuwa da suke badawa musamman ma ta fannin tarbiyya musamman ma ta jan hankalin matasa da kuma su kan iyayen yara da kuma shirye-shirye daban-daban wanda suke yi wajen waye kayan al'umma wajen kuma ƙara haɗa kan matasa gaskiya studio kalangu sosai da sosai tana yi mana abubuwa daban-daban wanda muke jin daɗin shirin. kuma muna bibiya da su sosai da sosai na fito daga cikin kungiya ta masu kira da saurare na afirka reshen da magaram kuma bugu da kari na kasance shugaba ce ta association de jeunes pour la lutte contre les chômage a jl gurin zuciya to a gaskiya studio kalangu suna ba mu gudunmuwa musamman ma kira ga matasa wajen su shahirce su ma su zama nagari ingantattu sosai studio kalangu duk sun dafa mana gaskiya muna jin daɗin shirin ko muna bibiyar su a koda yaushe haka ne wani Allah yanzu ba lalle haka na mata kahili da gani da kahili da ganin maila in ba mutu komawa da gani in madara ya sha no in sha yo daɗin duniya